la défense. Et le ballon va sortir à remise à deux pour euh, à et Blanc. Alors que Joko lui aussi euh, est à ma gauche avec euh, des, des, de la couleur de l'équipe euh, vert et jaune. Voilà c'est parti, attention le ballon qui traîne là-bas et c'est dans les bras, dans les bras du gardien de but de cette équipe de Alloir et tout de suite de euh, Diopo Tankuma tout de suite euh, qui remet son latéral droit, le ballon qui va sortir. Ça sera remise en jeu pour à euh, Du côté de la tribune découverte, un long ballon qui va tomber dans la zone de Diopo, Attention, c'est un autre ballon pour le Ballon qui traîne. Atatako Idelo et Diebi. Il n'est pas position dans le peut Alors là, là, le ballon qui a été enlevé par le latéral droit vous savez euh, les raisons pour lesquelles on est maintenant dans les demi-finales du championnat navetant ici à Rifisque. Alors euh, c'est un ballon pour euh, et va sortir. Et ce ballon qui va sortir, ça sera triple 50 euh, pour Djoko. Et le gardien qui va dire avec, avec son latéral droit tout de suite le ballon est toujours Yoko. ils vont le sortir proprement avec le numéro 15 le capitaine de cette équipe qui va glisser ce ballon dans la de réparation le ballon est toujours Joko le centre pour chercher euh, l'ailier gauche qui est un petit peu en retard la frappe euh, de ras de terre dans les bras dans les bras du gardien de but euh, de Alvar qui se pousse sur ce ballon. à joué avec son latéral euh, gauche là-bas, du côté de la tribune découverte. Ajanako Yolal la tête de la défense euh, de Djoko. Mais le ballon toujours jaune. Ce sont les bleus qui recevront le ballon maintenant. Il y a une faute. Il y a une faute sur cette action l'arbitre central, il siffle euh, la faute alors que le joueur euh, reste seul, Mamadou. première mi-temps. Toujours euh, rien à mettre sous les dents. 0 à 0 entre Aloir et, et C'est parti. Une tête euh, qui passe euh, largement au-dessus de la transversale. Qui va dégager ce ballon. C'est parti. On va chercher à l'ailier gauche en face de tribune découverte. Le ballon toujours, attention, c'est un long centre qui va tomber dans les bras. Et tout de suite, le gardien de Alois, mauvaise passe. Mouvet également, un ballon qui est allé en, en touche, en face de la tribune en couverte. Le ballon est toujours bleu. Attention, on discute euh, ce ballon sur la ligne. Et il y a L'accueil d'Ero. L'accueil de l'Egana, qui gardien bas. On donne le bouger avec latéral bas. Nyom, Bois, En face de la tribune découverte le ballon qui a été récupéré par les maillots bleus dans le rond central ça sera faute hein, puisque le joueur a été bousculé par derrière ça c'est que les deux équipes hein, sont à égalité toujours hein, pas encore de but alors qu'en première heure Diamano de Gendel a réussi à écarter Nindat aux séries puisque les deux équipes avaient fait match nul deux buts partout Là, la chance a souri à Diamano Dogendel. Il attend maintenant de connaître son adversaire. Entre Alouar et à euh, c'est un ballon qui va sortir euh, peut-être, ça sera, ça sera 5 mètres 50 puisque le défenseur a réussi à couvrir euh, ce ballon pour le jouer avec son latéral droit dans la zone Alwar moo ko yoon mu koy doxal ndànk-ndànk sànni ko ci kaw pour retrouver les attaquants la tête de la défense de Gamano, euh, do Gendel daf koy delloo ci ginnaaw ndax amul foofu preneur le ballon est toujours bleu pour euh, Jamono la tête de la défense de Alwar pour sortir ce ballon le ballon est toujours à Alwar aja da koy euh, jox attaquant bi c'est un bon ballon pour délier. Le coup d'un coup avec le latéral droit qui va passer. Oh là là, qui va jouer avec euh, là-bas avec son latéral. Bon, dégagé ñaare day jox latéral lui qui va être un lay le ballon est toujours à Djoko dans leur propre moitié du terrain. Ça peut dégager du go pour chercher euh, les attaquants. Mais la défense euh, de Alouar est toujours là pour contrer ces ballons. Aja, mauvais ballon qu'on récupère à la défense de Alouar. Ballon toujours à dans le rond central. Il va peut-être jouer avec l'ailier gauche. Il y aura faute. Il y aura faute euh, pour Alouard puisque le joueur a été euh, retenu par derrière. C'est parti dans la boîte. Un long ballon. Ça va sortir euh, peut-être. Il le ballon qui ne sort pas. Et ça sera au profit des maillots bleus. Ballon toujours à qui a été rattrapé. C'est pour maintenant, à qui sont nombreux aussi, ce ballon. La défense euh, de Diogo. Ballon pour Aloir maintenant. Pour le petit, le centre droit de terre. Ballon qui a été repris par la défense euh, de Diogo pour sortir ce ballon tranquillement. Mauvaise passe. Attention, ça joue maintenant dans la zone euh, de Diogo. Le ballon qui a été contré, c'est de Aloir. Remise Attention sera un coup pour Djoko. Le ballon va sortir, ça sera remis en jeu à nouveau pour euh, Anouar, puis pour euh, dans la zone euh, de Djoko. Ça va repartir. C'est facile la frappe qui passe largement. Les équipes sont à égalité ici au stade du pour le compte euh, des demi-finales entre Djoko et Alouar. il faut moins gagner, il n'y a plus de calcul maintenant. Il faut qu'il y ait un vainqueur entre Djoko, Aka à Ndam Demogoul, Ndam Mamadou. Toujours rien à mettre euh, à, sous les dents, 23 minutes. Nous sommes nous jouons la 23e minute dans cette première mi-temps, toujours 0 à 0. La tête de la défense de Yoko. Le ballon maintenant des équipes. Et c'est le mouvement pour Alouard, Il va le frapper à tout bas dans les bras. Dans les bras du gardien de but de cette équipe euh, de Djoko qui a voulu euh, chercher l'attaquant dans le milieu de terrain. Perdi récupère toujours Alouard. Il joue pratiquement dans la moitié de ce terrain. De Djoko. Ils ont réussi vraiment Attention, on non-centre qui ça, à la frappe peut-être. Dans les bras. se centre euh, au second poteau. L'ailier n'a pas pu vraiment frapper comme l'a voulu ce ballon. Et que le gardien a poussé, s'est poussé sur ce ballon. Pour le récupérer tranquillement. Et ça sera pour euh, Djoko. Ballon qui a été retrouvé par Alouar. Ils ont perdu ce ballon. Mais le ballon est toujours euh, à Loire. Il joue pratiquement en tout cas dans la moitié de terrain de cette équipe de Djoko. Le ballon maintenant qu'on retrouve euh, Djoko avec le capitaine euh, de cette équipe. Au long ballon Attention, l'attaquant qui arrive à passer. Il a été repris par euh, la défense de Alouar. Très proprement, vraiment. Ballon toujours, euh, ouais, ça sera remis en jeu Mamadou. Comme vous le savez, rien à mettre encore sous les dents. On est encore euh, 0 à 0. C'est que je suis euh, sous nos antennes. c'est que Djoko on le, bon goût pour le moment. Devant cette équipe de Alois qui joue de mieux en mieux, puisqu'ils arrivent dans la zone de Yoko en surnombre. Attention à ne pas vraiment encaisser le but. cette première mi-temps, toujours pas encore de but entre Yoko et Alouard, 0 à 0 pour le moment. Il n'y a, pas encore, oh, attention c'est un ballon pour euh, Yoko dans la zone euh, de Alouard, il va le remettre par là. Ça sera remise en jeu en face de la tribune euh, couverte au profil de Alouard. Bon, bon, bon, Moyen moo yor bal bi ba il tamit ça sera encore une nouvelle touche pour euh, Alwar dans la moitié de terrain de cette équipe de Djoko il y a faute de main sifflé l'arbitre euh, assistant ça sera remise en va dégager très loin. Attention le vent qui ramène euh, le ballon dans la zone euh, de Djoko, mais que la défense euh, arrive à écarter le danger. Ça sera un ballon jaune cette fois-ci. Le ballon qui ne sort pas. Il continue vraiment de donner de la voix. C'est un ballon jaune maintenant de Alois dans le rond central qui a été euh, rapidement effectué. Le ballon est toujours à Alois. Adjabel Koïdo, Khalte Dantanak. Daidem Seti à euh, Eliebi. Delawat Kobalbi. Le ballon qui a été repris maintenant pour euh, Diamano, pour Djoko, tant pour moi. Là, on coupe. Hein pour Djoko euh, en face de la tribune découverte. Il va cesser euh, l'ailier gauche là-bas. Le centre peut-être dans les bras. sur cette longue touche. Perdu que récupère la défense de Alouar. Mais le latéral droit est là pour remettre ce ballon en selle avec l'ailier gauche. Il va chercher euh, très loin. Ballon qui a été euh, repris par le maillot jaune de Alouar. C'est la défense euh, qui va le dégager maintenant. Le ballon est toujours en jaune. Le ballon qui ne sort pas, qui a été repris par euh, Djoko maintenant. On ramène ce ballon au milieu. La frappe peut-être en ras de terre. Dans les bras. C'est facile dans les bras du gardien de but euh, de cette équipe euh, de Alouar. Adja Alouar Mokoy Doral en face de la tribune découverte. 0 à 0 entre Djoko et Alouard alors que heure jamono moom day dem final ndax gagné na Nimzat au série ndax ñaari équipe ku nekk dafa dugaloon ñaari bal ci sa kang morom bi ñu demee ca Tekdoria jamono moom moo jàll day xaar léegi kan lay dajel final diggante Alwar ak Jokko lay doon toujours pas encore de but ndam demagul ndam dikkagul Il n'y a pas encore deux de but entre les deux équipes. C'est parti, le coup franc. Dans la défense euh, de Alouard. Le ballon est toujours en Djoko. Adjadadjal, ça sera coup franc. Ça sera un coup franc pour Djoko. Euh, Alors que les deux joueurs euh, restent seuls. vraiment té de neuf pas nee na kaay leen fii ngeen taxaw fi compté ñenti ñeenti ñenti euh, ñeenti poñ ñenti ñeenti né nee na kaay ngeen taxaw fi <laughs> ay jàpp ngeen bougé ci kaw ligne bi voilà alors euh, il y a deux joueurs sur ce coup franc arbitre mu ngi wax ak ñom néna na ngeen taxaw bu ken dépassé ligne bi vous entendez nee na wa Jokko vite lañu bëgg mais c'est pas facile c'est pas comme ça <laughs> ah il donne du temps vraiment pour euh, ce coup franc Allez, c'est parti. Là, dans la boîte, euh, dans les bras. Cette fois dans les bras du gardien de but euh, qui se couche sur ce ballon. Alors que euh, plus que deux minutes maintenant, j'ai dans cette première mi-temps, toujours à 0 à 0. Voilà la l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps. On a été surpris si notre... coup d'envoi de cette euh, deuxième mi-temps entre Yoko et Aloir, Pas encore de but. 0 à 0 entre les deux équipes euh, pour le moment. Alors que Diamano de Gendel, lui, il est déjà passé puisqu'il a fini de battre euh, Nimzat aux séries, puisque les deux équipes avaient fait match nul en demi partout. de demain qui toque de riz. La chance a sourire à Yamano de Gendel, Ça sera soit à Yamano, ça soit Yoko ou à Et le ballon, le centre dans la boîte, dans les bras. Dans les bras du gardien de but euh, de cette équipe de Alouar également Le Ballon est bleu. Ça va sortir là. La touche a été exécutée. Il y a faute. Il y a faute sur le joueur de Alouard. Ça sera un coup franc. Euh, il est 19h25 ici au stade Galadiouf. La nuit est déjà tombée ici. Ça sera un coup ils sont deux, six coups francs. Arbitre Nena Degazelle. Yobunako dans la siffle de réparation, la tête de la défense. Attention, deuxième frappe. Là, c'était bien vu. C'est une très belle frappe. Et que vous voyez euh, le, le, gardien de but qui est en train de discuter avec la défense pour dire euh, pourquoi vous avez laissé vraiment cet attaquant prendre ce ballon. Et là, il va poser euh, ce ballon pour euh, jouer avec euh, la défense. Ballon Djoko. Avec le petit. Dans la moitié terrain de cette équipe. Attention, le ballon va sortir peut-être. Le centre qui a été contré, que récupère la défense de Alouar. Ballon Djoko. Djoko Indiwat. Le ballon ne sort pas. Cette fois-ci, ça va sortir en face de la tribune. Couverte. Attendant nous continuons. Défense à l'ouest du dégagé. Mais ça ne dure pas longtemps puisque Djoko qui récupère ce ballon. Attention. Il y a faute. Le ballon, attention, le ballon est toujours dans la surface de réparation. Il a été dégagé. Attends. Ça sera un la touche qui a été faite. Le ballon va sortir et ça sera 5 m. Ce ballon. Et qui va jouer avec son latéral. Mauvaise passe puisque le ballon sort en touche. Ça sera remise à deux. La tête, le ballon est toujours de quoi attention, il va rentrer dans la salle de réparation. Le ballon qui va sortir. Il a trop poussé son ballon. Ça sera 5 mètres 50. Et tout de suite, euh, il va jouer avec son latéral droit. Ballon perdu que récupère euh, la défense. Et le ballon est bleu maintenant avec euh, Yoko et Ils ont perdu ce ballon. Attention, la défense de Djoko qui arrive à ah, écarter le danger. Ça sera remise en jeu pour uh, Attendez dans tout là. Le ballon est jaune. Ça va sortir cette fois-ci parce que c'était trop long pour euh, l'ailier. Ça sera une remise en jeu pour euh, les maillots bleus de Djoko. Attendez, Attention, il y a faute. Arbitre euh, central a sifflé la faute au profit des maillots bleus. Ah, il a vraiment un mauvais passe, ah, il a trop poussé son ballon, ça sera au profit des maillots jaunes. Euh, de, de Là, là c'est sorti. Nous sommes dans la deuxième mi-temps de cette deuxième rencontre entre Djoko et Alouar. Cette première demi-finale dans ce championnat navetal 2021 ici à Rifisque. C'est un ballon qui va tomber dans la défense de Alouard. On va ramener ce l'attention attention. Et c'est le gardien qui euh, dégage automatiquement. Mais le ballon reste toujours Attention, cette fois-ci, ça va dans les pieds du gardien de but euh, de Alouard, tranquillement. Il ce ballon et qui va le rebondir dans sa surface de réparation. Attention, mauvais passe, mauvais dégagement. Mais que ses partenaires arrivent à retrouver ce ballon, ça sera ça. Il vraiment faire euh, ce genre de faute des avertissements verbales, Voilà, le ballon c'est déjà reparti avec euh, toujours Yoko. Attention le centre, le ballon qui a été dégagé cette fois-ci par la défense, ça sera remis en jeu en face la tribune à découverte, alors que vous entendez en fond toujours euh, vraiment ces supporters de Yoko qui donnent de la voix. Euh, ce sont, maintenant ces supporters seulement que nous entendons ici, puisque les supporters euh, de Haloir ne donnent plus de voix. <laughs> Nous entendons que les supporters Mamadou, de, de Djoko comme Vous l'entendez, j'entendais de santé là. Vraiment pour le pousser, à, pousser l'équipe à, la victoire. Au long ballon. Pour Djoko. Euh, le ballon est toujours en bleu maintenant. Il va ramener ce ballon pour le jouer avec euh, l'attaquant. Attention, c'est toujours pour euh, alors c'est un bon ballon cette fois le petit. Le crochet, mais il ne passe pas quand même. Mais l'arbitre a assistant sifflé euh, il y faute. Il a poussé un petit, petit peu le défenseur. Ça sera donc un coup franc pour euh, les maillots jaunes de Aloir, de dans leur propre jaune. Pour dégager petit Ballon à chandelle. quoi 6 pied levé. Voilà le gardien de but euh, qui va poser ce ballon 5 m 50 a indiqué l'arbitre central. Ça sera 1, ouais, 5 m 50. Et le gardien qui dégage pour chercher là-bas l'ailier gauche. Attention, c'est Le ballon Le ballon est au court, ça va tomber dans les bras. Cette fois-ci, et tout de suite, euh, il va jouer avec le latéral droit. Nohal Diogo Dohal. mais c'est une mauvaise passe. Mauvaise passe. Euh, cette fois-ci, ça sera remise à jeu pour Dioko. Euh, Djoko. Longue touche, la tête. Ils vont encore gagner quelques centimètres. C'est maillot bleu. sera encore euh, une nouvelle touche. Toujours en euh, profil des maillots, des maillots bleus de Djoko en face de la tribune couverte. allons jaune maintenant. Alors qu'il euh, y a deux, deux, deux défenseurs vraiment qui tournent autour de cet attaquant. Il est complètement esselé. Le ballon est toujours en plein. le centre peut-être qui arrive euh, dans les bras. Dans les bras du gardien de but de cette équipe de Haloir. Et qui va dégager très loin la tête de la défense de Yoko. Il y euh, il a été poussé par derrière et c'est rapidement fait. Il va se rabattre euh, au milieu. Mauvaise passe puisque la défense de, Yoko est là. Ballon pour Yoko euh, cette fois-ci. ronde central. Adjamou Yoko, latéral du Gauna Yekiko. Koko. Le petit. Adjam. Adjam Koydohal. C'est toujours Yoko. Mauvais passe, ah, le ballon qui a été dégagé en touche. 58 minutes dans attention oh là là mauvaise frappe mauvaise euh, frappe Le ballon qui passe euh, largement au dessus et ça sera 5 m vous voyez le gardien a vraiment l'habitude avec son latéral, c'est ce qu'il a fait encore. Le ballon est toujours en jaune. il va jouer avec l'ailier, c'est parti là-bas. En face de la découverte, aux prises, attention le centre dans les bras. Dans les bras du gardien de but euh, de Diopo qui se pousse sur ce ballon. Si ce centre en jaune. Le ballon toujours en jaune à Loire. Il a été dégagé par la défense. Voilà qu'on retrouve euh, la défense euh, de Loire cette fois-ci. C'est la défense de Djoko qui se dégage de n'importe quelle pièce puisque le ballon revient encore. Nako, Eliebi, le centre dans les bras. Dans les bras du gardien de but. Ah, il ne passe pas. C'est parti, attention. La frappe qui a été contrée. Toro qui perd les attaquants de, Yoko, Attention, il a été repris cette fois-ci par les maillots jaunes. Le Aloha perdit cette fois-ci encore. Ça sera un coup franc. le coup franc qui va être exécuté Ils sont nombreux dans la surface de réparation, c'est parti. La tête qui passe au-dessus. Et il va le jouer avec son latéral droit. Moudela Kobalbi. garde pour chercher là-bas. Alors là, c'était trop long pour lui. Le ballon qui est allé à touche. Touche pour... Euh, Loire, le ballon est bleu maintenant. Ndioko, la Koyini Tidigubi, dans central. Le ballon est toujours bleu. Attention au coup d'un coup avec le gardien de but, il va peut-être dégager, voilà. Et le gardien qui a bien en rescousse pour dégager ce ballon, écarter le danger, ça sera une remise en jeu pour Dioko Djoko. Adjawa Djoko Nyan Là, il a été retenu. Là, il a été retenu juste à l'entrée de la surface. Ça, sera un coup franc. Une sorte de demi-corner pour euh, les maillots bleus de Djoko. Il y a eu euh, quatre euh, joueurs sur ce mur. Allez, les balles arrêtées, il faut les exploiter. C'est au profit de Djoko en tout cas. C'est parti, il a parti directement à là ça, il a failli vraiment rentrer. C'est au-dessus. Et le ballon n'était pas du tout sorti. Il y a eu un tête qui a remis ce ballon en jeu. Cette fois-ci, c'est sorti euh, du côté de la tribune découverte. Où il y aura remise en jeu, en tout cas, alors que Yoko lui préfère euh, aller à Tikitaka. Ça sera remis Pour euh, pour, pour autant pour moi. Le ballon est toujours dans la six faces. Il a été dégagé cette fois Ça sera en tout cas, le joueur euh, de Alouard reste au sol. Allez, c'est parti, le jeu. C'est reparti, attention. Ça sera 5 mètres 50 pour euh, le gardien de Fruit pour retrouver ce latéral droit la tête le ballon qui sort ça sera remis en jeu pour les maillots bleus de Djoko une longue touche voilà toujours Djoko euh, on va ramener ce ballon le centre peut-être qui a été contré il y a une tête voilà toujours bleu cette fois-ci la tête de maillot jaune le ballon toujours est là avec les mailles bleues de Djoko, le centre qui passe euh, légèrement au-dessus de la transversale. Un centre qui passe euh, légèrement au-dessus de la transversale, ça sera au profit du gardien de but de Alois de poser ce ballon sur le 5 50 Il va le jouer doucement avec son latéral. Il va le dégager très loin pour cesser euh, l'ailier droit en face de la tribune découverte. Ils vont dégager ce ballon avec le latéral droit. Ballon en dans la tête de maillot bleu. Que le ballon est jaune maintenant. Ça sera remise en jeu. Remise en jeu pour euh, Alouar. Un match très difficile en tout cas pour les deux équipes. C'est un match en tout cas très très difficile pour euh, les deux équipes. Toujours euh, pas encore de but en tout cas pour ceux qui nous suivent sur la chaîne. « 0 à 0 entre euh, Dioko et Alois Alors qu'en première heure, Yamana de Guenel avait fini vraiment de se qualifier pour les tirades en battant Nimzat aux séries. 3 bis à 1. Là, c'est un ballon pour euh, dans le rond central. Il y a une faute. Euh, sur le joueur de Djoko dans notre championnat. va sortir cette fois-ci. Ça sera au profit des maillots jaunes de euh, Ça sera un coup franc cette fois-ci. C'est un coup franc pour euh, Alors que les supporters de Aloir se réveillent maintenant. Voilà le coup qui est parti, la tête de la défense de Anouar pour sortir ce ballon. Cette partie ci sera pour euh, le long de la ligne le euh, poteau de corner, c'est parti, attention le centre. Le ballon dans la surface de réparation, il y a une tête euh, de maillot jaune, mais le ballon est toujours euh, bleu. Il ramène ce ballon. Le ballon est toujours bleu, attention, c'est fois Le, gardien qui vient en rose vraiment pour cueillir ce ballon et qui le joue rapidement avec la défense à C'est reparti très vite. Il va chercher à euh, l'ailier gauche aux prises avec le latéral qui arrive vraiment à lever ce ballon pour écarter le danger. Ça sera remise en jeu pour euh, à Alouard dans la moitié terrain de cette équipe. alors à Loire, cherché euh, chercher l'attaquant. Mais c'est la défense hein, de Djoko qui arrive à enlever ce ballon. Le ballon est toujours bleu. Il a été repris par euh, l'ailier gauche euh, de cette équipe. Oh il s'est glissé, il s'est glissé. Et que le ballon, attention pour Djoko euh, c'est parti. C'est la défense des maillots jaunes qui arrive à récupérer ce ballon, mais le ballon est toujours à Djoko. Attention, Djoko Djelat da ko jox latéral bi en face bi ko il a voulu remettre euh, ballon à l'ailier gauche mais le ballon est toujours l'attention. ils vont passer la tête peut-être euh, attention le ballon qui arrive euh, dans la zone dans la surface de réparation et l'attaquant reste au sol sur cette action. Alouar et Djoko, Ndam de là. Mauvaise passe, le ballon qui revient pour les maillots bleus, mais la défense euh, de Aloir est là pour dégager ce ballon. Il y a eu deux défenseurs hein, sur ce ballon. La tête de maillot jaune. Ah, Ça, sera remis en jeu. Beaucoup franc. Longue touche. Pendant toujours. pour moi il dégagés du chaos. Mais la balle revient pour les maillots jaunes. Arbitre la faute amenant. Invite Nena na pour Alloire. allez c'est parti il comme la attention dans les bras voilà dans les bras il a boxé ce ballon le gardien de but il ne pouvait pas le, prendre il l'a boxé et ça sera remis en jeu cette fois-ci puisque le ballon revient alors qu'il se blesse, si cet attaquant il reste euh, dans sa siphon de réparation, alors que l'arbitre appelle les soignants. puisque le gardien s'est blessé sur cette action, si ce coup pas, il a réussi à boxer ce ballon. mais ils sont toujours là vraiment, nos braves soignants, les chapeaux pompiers. <laughs> je suis avec mon caméraman. Le ballon est toujours jaune. Au bout à coup avec euh, la défense de, de Ça sera un coup Ça sera un coup pour Alouar. pour euh, dans la moitié terrain de cette équipe euh, de Djoko. Alors que les équipes sont toujours à égalité ici au stade la comme vous le savez, pour le compte euh, de la deuxième euh, demi-finale entre Djoko et Alouard. voilà pour Alouard dans le moitié terrain. Il est allé chercher à l'ailier qui n'est pas là-bas, c'est le latéral qui prend le ballon. Et ça sera remis en jeu pour euh, Yoko. Un ballon qui va tomber cette fois-ci dans les bras du gardien de but de Yoko. Et il va dégager très loin la tête de maillot jaune. Ballon perdu qu'on récupère à euh, Loire dans le rond central. Attention, il n'est pas poussé dans de jeu. Et le gardien, attention, il est là, il a été contré. Mais le ballon est toujours en jaune. Ça sera peut-être un corner. Attention, puisque le, le gardien était venu à la ressource. sur euh, vraiment ce dégagement, le ballon qui a été contré et qui est revenu en jeu. Ça sera un corner euh, cette fois-ci au profit de Alouard. Si se contre, C'est un corner pour euh, les maillots jaunes de Loire, En face de la tribune découverte. Aïe, le corner. Arbitre dans la Diapouken, c'est parti. Il y a eu du mouvement. C'est parti, il y a eu du mouvement, sur la tête. Une tête euh, qui passe euh, au-dessus de la transversale, ça sera 5,50 m pour euh, Joko. lui, il a l'habitude de jouer ce ballon avec son latéral. Ce qu'il a fait il y a faute sur euh, l'ailier gauche de cette équipe de Djoko. Ça sera un coup C'est reparti. En face de la tribune découverte, le ballon n'est pas sorti. Le ballon est toujours en bleu. y a Jaay Fóot Jaay Fóot Jaay Fóot sur cette action alors qu'il nous reste que 6 minutes Il reste encore 6 minutes de jeu dans cette euh, deuxième euh, mi-temps. Toujours 0 à 0, c'est un coup franc pour les Bleus. Sorte de demi-corner en face de la tribune découverte. Aka, arbitre n'est na kaay leen ngeen ligne le mur déjà placé Aka, le coup franc c'est parti directement, attention. il va dedans. Directement dans le filet. Voilà l'ouverture d'escale pour Djoko. Si ce coup franc direct, euh, il est arrêté. Sous, euh, vraiment, sous la Voilà l'ouverture euh, d'escale pour Gioco sur ce coup franc qui a été frappé directement. Alors que le gardien a été gêné, peut-être qu'il n'a pas vu la trajectoire du ballon. But du gardien euh, de but de Pas de numéro. Numéro. c'est le numéro 6 euh, qui a réussi vraiment à ouvrir le score sur euh, ce coup franc. Directement, il a frappé. Attention, cette rencontre pour avoir Peut-être l'égalisation là là. Dans les bras. Dans les bras du gardien de but euh, qui se pousse sous ce ballon. Qui frappe directement ce ballon dans les buts. Le gardien qui a été gêné, qui n'a pas pu vraiment voir la trajectoire du ballon. Et ça fait 1 à 0 pour Djoko. Remise en jeu pour euh, les maillots bleus. Une longue touche. Ballon à Loire une faute et vous entendez maintenant les supporters de Djoko. Vraiment, si coups coup splendide. Il a frappé directement dans les buts. Attention, contre encore avec le gardien vraiment qui s'amuse. Il a failli encaisser un deuxième but puisqu'il a été contré. Position d'enjeu et que le joueur de Alouard reste au sol. Ça fait 1 à 0 maintenant pour Yoko. À la 85e minute, 6 ce coup splendide. Le numéro 6 vraiment qui place ce ballon pour euh, l'envoyer directement dans les buts, Puisqu'il y a eu des mouvements vraiment dans, la surface de réparation, le gardien vraiment n'a pas pu euh, voir euh, la trajectoire du ballon qui est en train de au fond de filets. Ça fait 1 à 0 maintenant pour Djoko. Alors qu'il nous reste maintenant 4 minutes. 4 petites minutes pour Alois. C'est une domination vraiment qui a été récompensée pour le moment. C'est un koy doxalaat ñoom waa Jokko ñoo yoraat bal bi mauvaise passe cette fois puisque la défense de Alwar arrive va enlever ce ballon. La défense euh, qui se dégage pour écarter le danger. Ça sera remis en deux. Remis en deux pour euh, alors qu'il y a eu un but pour ceux qui nous suivent vraiment. Sur euh, nos antennes de la RMB TV et de Rich il y a eu un but pour Djoko sur ce coup franc. Magnifique, vraiment. Il y a faute. Il y a faute, euh, ça sera au profit de Alois dans la zone. Euh de Yoko dans la moitié de terrain. Il nous reste encore 4 euh, minutes. 4 euh, minutes. Le temps additionnel, c'est parti. C'est ce qu'a montré en tout cas. Le quatrième arbitre euh, nous montre 4 petites minutes. il y a eu des changements. Il y a eu des changements du côté de Hanoi Avec euh, vraiment ce joueur qui a beaucoup donné. Le gardien de but euh, qui va poser ce ballon sur le 5 m 50. arbitre na dégagé le balbi. c'est Djeko qui récupère ce ballon attention ils sont trois contre deux attention le contre peut-être il y aura une de but il y a une position d'orgueil. il y a une position d'orgueil qui a sifflé sifflé euh, l'assistant alors que c'est un contre rondement mené par euh, les attaquants de Djoko. ils étaient quatre euh, contre deux Attention à la défense de il qui doit revoir tout cela vraiment. Ça sera position dans un. Vous le voyez, ils arrivent euh, au nombre dans la défense de Alouar. C'est un ballon pour euh, maintenant avec un qui arrive à passer, il ramène ce ballon au centre. Le ballon est toujours jaune. On l'endrope Et que le gardien va regarder ce ballon sortir tranquillement. Le gardien de Yoko. Alors qu'on n'est pas loin vraiment de la fin de la partie. Il y a eu un changement du côté de Djoko. Ils vont essayer de prendre quelques, quelques secondes sur ce changement pour euh, gagner quelques secondes puisqu'il ne pas encore euh, beaucoup de temps. Et c'est Djoko qui mène par 1 à 0 et va procéder à un autre changement. alors que l'entraîneur de Yoko va procéder à un autre changement pour euh, redonner du sang à 109 à son équipe puisqu'il ne reste pas encore beaucoup de temps. Ballon pour euh, en face de la tribune découverte. Ils ont perdu le ballon pour récupérer le ballon jaune coup franc au des maillots jaunes. C'est parti dans la boîte, la tête de la défense euh, de Dioko qui arrive à enlever ce ballon. Le ballon est cette fois-ci à Yoko à 7. Oh là là, c'était trop long, c'était trop long pour euh, l'ailier gauche. Alors que Dioko mène par 1 à 0 depuis la 85e minute. Si ce coup fin splendide du numéro 6, vraiment, qui frappe directement sous la licarne. Attention, on se tourne notre ballon, il n'est pas en position d'enjeu. Il va filer tout droit, oui, avec euh, le défenseur. Ils sont deux là-bas, il va peut-être marquer le deuxième but, pour la but de Diogo qui se contre. ici dans le money time, dans le traditionnel. Si ce contre qui a été roulement mené. Voilà pour euh, Al... Voilà pour euh, et l'arbitre qui met fin. L'arbitre qui met fin à la partie. Il dit ça. Ça fait 2 à 0 pour Djoko qui avait réussi à ouvrir le score à la 85e minute. Yoko a ajouté un deuxième but dans le Money Time. Si ce contre rondement monnaie, 2 contre 1, ils ont allé vraiment battre le gardien de but à ras de terre. Ça fait 2 à 0 donc pour Dioko. qui se qualifie maintenant pour les, finales. Il va rencontrer Diamando Gandel. Ça sera une très belle finale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la scène. On se donne rendez-vous demain. Passez une très belle soirée, à bientôt.